forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio forum du studio le forum du studio forum du studio forum du 18h passé de 15 minutes à Niamey. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro du Forum du Studio Kalangou dans une présentation de Mokhtar Hamadou. Le Forum du Studio Kalangou est un espace d'échange et de débat. Aujourd'hui, la thématique euh, de votre forum est intitulée Vers la disparition de certaines filières scientifiques euh, dans les lycées nigériens. Euh, Ce thème est parti d'un constat alarmant du fait qu'il y a de moins en moins de classes euh, de série 2 et de série C et 2 dans nos lycées. Et qui dit réduction de classes d'enseignement dans une ou plusieurs filières dit faiblesse de la demande ou en termes terre à terre, très peu d'engouement des élèves vers ces séries scientifiques pourtant très indispensables pour le développement de toute nation ambitieuse. Dans la première partie de ce forum, nous tenterons avec euh, nos invités d'identifier les causes réelles de l'abandon progressif des filières euh, scientifiques euh, dans nos écoles. Puis, dans la seconde partie, nous parlerons des conséquences de l'abandon de ces filières scientifiques et enfin, dans la troisième et dernière partie de ce forum, euh, des solutions à envisager seront proposées par nos invités qui ont bien voulu venir euh, dans ce studio pour apporter leur voix en faveur de l'école nigérienne. Avec euh, nous ce soir, pour développer ce thème, nous avons Monsieur Chebu Dambaji, secrétaire général du syndicat national des enseignants du secondaire et enseignants en de matières scientifiques. Monsieur Chebu Dambaji, bonsoir. L'association des parents d'élèves et étudiants est également de la partie avec euh, son vice-président Nasratan Wissilman. Nasratan Wissilman, euh, bonsoir. Bonsoir. Nous terminerons avec la présentation de nos invités avec euh, le plus jeune Abdraman Salifou qui est le secrétaire aux affaires académiques de la section lycée et collège euh, de Niamey euh, qui représente l'Union des scolaires nigériens, l'USN. Monsieur Abdraman Salifou, bonsoir. Bonsoir. Nous attendons d'un moment à l'autre le secrétaire général adjoint du ministère des enseignements secondaires, Kasumissa, euh, qui a quand même marqué son accord pour euh, ce débat dans l'intérêt de l'école publique nigérienne. Et merci à vous tous d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Avant de vous donner euh, la parole pour entrer dans la matière, en matière, je vous propose d'écouter d'abord la réaction du professeur Albert Wright, homme de sciences et enseignant en matière scientifique, euh, qui fait aujourd'hui un témoignage poignant sur la tendance constatée de la disparition des séries scientifiques dans les écoles nigériennes. On écoute euh, professeur Albert Wright. Je rappelle à tout vent que au moment de la création de l'enseignement supérieur au Niger, euh, à l'université plutôt de Niamey, qui est devenue aujourd'hui euh, université Abdou Moumouni le Niger avait été identifié comme un endroit où les étudiants sont scientifiques. Pourquoi cela Parce que le Niger a produit d'éminents scientifiques comme Abdou Moumouni Diofo, qui a atteint le niveau de l'agrégation en physique, comme Babou Bakar, qui lui aussi a été le premier Africain admis à l'école normale supérieure et qui est devenu ensuite un agrégé des sciences mathématiques. On peut aussi citer Dandiko Dankulodo, qui a été le premier Nigérien à accéder au diplôme de doctorat en chimie. Alors, donc, c'est à partir de ce constat que on a décidé que dans l'université qui va se diviser sur le Niger et le Burkina Faso va être scindée en option scientifique au Niger et en option littéraire au Burkina Faso. Et c'est ainsi donc que quand la faculté des sciences a été créée, euh, on devait retrouver à Niamey euh, des étudiants nigériens et burkinabés pour la formation en sciences physiques et en sciences mathématiques. À ma grande surprise, lorsque je suis allé euh, m'informer auprès de la, du doyen de la faculté des sciences en 2011 de la situation dans la faculté, j'ai appris que on dénombrait seulement 12 étudiants en master math 1 et 3 en physique à l'université Abdou Moumouni de Niamey. À ce moment, l'université n'avait pas encore été scindée euh, dans les départements, donc on peut dire que cela totalisait le potentiel scientifique à venir au Niger. Alors si en 2011, nous n'avons que 12 étudiants en master math 1, que vont devenir ces étudiants Il faut qu'ils accèdent au diplôme de maîtrise de physique master math 2 pour de devenir des étudiants aptes à enseigner les mathématiques dans les lycées. Et donc, on sait que ces 12 maths 1, parmi ces 12 maths 1, en fait, très peu se destineront à être des professeurs de mathématiques dans le secondaire. Même au lycée d'excellence, qui est logé dans les murs de l'EMIG, j'ai enseigné 12 ans à l'EMIG, j'ai vu, euh, en général, dans la classe de terminale C, mathématiques où je vous dis euh, l'élève euh, qui veut accéder à un haut savoir scientifique doit nécessairement passer par cette option. On trouvait des effectifs maigres, 7 élèves, huit élèves, 10 élèves au maximum. Et le constat est dramatique parce que quand on va dans le secondaire aussi, on constate que les professeurs qui assument les cours de mathématiques en terminale C, qui est la terminale euh, à vocation mathématique, parmi eux, très peu sont des personnes qualifiées. D'où la baisse générale de nos capacités scientifiques. Or, un pays qui veut se développer doit disposer de cadres scientifiques de haut niveau. Cela veut dire des personnes qui ont très bien maîtrisé leurs connaissances sciences, sciences physiques, sciences mathématiques, sciences chimiques. Et aujourd'hui, on doit y ajouter la science informatique. On ne peut plus rien faire en physique-chimie sans maîtriser le calcul informatique. Alors, comment avec cela, le Niger pourra-t-il prétendre avoir la maîtrise de l'exploitation de ses mines Pourtant, le Niger est connu comme un pays minier de l'uranium, de l'or, de l'étain, et que sais-je, il y a beaucoup d'autres ressources que justement les scientifiques nigériens devraient être capables de prospecter et de découvrir des richesses encore non décelées. Retour dans ce studio, du studio Kalangou, avec euh, nos invités, monsieur le SG, monsieur le secrétaire général du syndicat national des enseignants du secondaire, chez Vous êtes euh, enseignant euh, des filières scientifiques. Quelles sont les différentes filières scientifiques qui sont encore enseignées dans nos lycées? merci, Mokhtar. le professeur l'a déjà dit, les séries qui sont qu'on considère comme étant série scientifique, euh, il y a trois. Il y a la série C. Lorsque vous avez un bac euh, C, on dit que c'est bac euh, maths, et physique. Donc ça, c'est la série C. Et vous avez la série D. La série D, où c'est maths, sciences de la vie et de la terre, maths, sciences naturelles. Et puis vous avez au niveau des, des lycées, des lycées techniques, vous avez la série E. Donc la série E qui fait aussi et maths physiques. Donc voilà ce qu'on peut euh, ce que nous avons comme euh, série dans nos lycées d'enseignement général et lycées d'enseignement technique. Est-ce, monsieur le sujet, euh, chez vous venez là d'écouter professeur Albert Wright qui expliquait un peu les causes de la disparition de ces matières scientifiques. Quel commentaire cela suscite en vous je crois <laughs> vraiment il a bien dépeint la situation. Et les séries C les séries C qui sont la la série C c'est la série scientifique par excellence. C'est comme ça généralement qu'on la présente. Et ce qu'on relève même par le passé, c'était la série qui avait le moins de moins d'élèves, les séries C. Mais ce qu'on constate depuis un certain nombre d'années, vous avez des lycées où cette série-là a disparu vous avez, s'il faut considérer le nombre d'élèves qui vont euh, au bac, en série C, vraiment, c'est dérisoire. Moi, la dernière fois que j'ai passé le baccalauréat et dans la région de Zander, vous vous rendez compte que pour toute la région de Zander, il n'y avait que 11 candidats en série C. Alors, cette tendance, il y a longtemps qu'elle s'est dessinée. Et pour mettre un terme à cela, Selon vous, avant d'en arriver euh, au, remède, mhm. Monsieur le Secrétaire général euh, Chebou euh, selon vous, quelles sont les causes de l'abandon progressif des filières scientifiques par les élèves Vous savez, les élèves ils sont pragmatiques. Lorsque vous partez, vous commencez la seconde, vous avez le soir quand même des réussites au niveau des classes d'examen, hein, notamment au baccalauréat. À mon avis, c'est dû au fait que généralement les séries A, les séries A font, donnent des résultats qui sont de loin meilleurs à ceux des séries, euh, à ceux des séries scientifiques, notamment ceux de séries D. Alors, et vous avez aussi pour les séries C, certes, ils donnent des bons résultats, vous savez, 60, 70%, mais le nombre de candidats qui se présentent est, est très, est peu nombreux. Alors, euh, à mon avis, c'est dû au fait que les résultats qu'on obtient au niveau des séries littéraires euh, euh, semblent être meilleurs que ceux des séries scientifiques. On va, revenir vers vous le temps de donner la parole à, l'association des parents d'élèves et étudiants Nasratan Silman. Euh, vous représentez le bureau de l'association des parents d'élèves. selon vous, pourquoi les, les élèves ne s'intéressent pas aux filières scientifiques telles que la série C Bien, merci euh, au studio Kalangou pour l'occasion que vous nous offrez de nous exprimer sur cette question épineuse euh, de l'abandon des matières scientifiques. Moi, en résumant tout ce que le professeur et euh, le grand frère d'Ambaji ont dit, je dirais que cela est dit à la situation du pays. Pourquoi je le dis Le Niger n'offre pas assez d'occasions aux séries scientifiques pour s'exprimer ici au Niger. C'est-à-dire C'est-à-dire que même si tu finis à avoir tes, diplômes, tu risques de continuer à chômer ou revenir dans l'enseignement. Au lieu d'être dans des laboratoires ou avoir euh, des maisons où il faut vraiment avoir des initiatives, des initiatives de laboratoires où il faut fabriquer quelque chose. les sciences, c'est pour ça. Le pays étant pauvre, les, infrastructures sont insuffisantes pour mettre euh, en pratique la connaissance acquise. Si aujourd'hui les séries littéraires et il faut reconnaître, la pauvreté du pays fait que le parent aussi, souvent, est pressé d'avoir euh, le butin de son enfant. Donc l'enfant est pressé d'aller vers la voie active pour apporter quelque chose aux enfants. Or, quand il suit les, sciences, il faut vraiment aller jusqu'à euh, au doctorat, au professorat, pour pouvoir au moins avoir un brevet ou une licence de quelque chose qui puisse te rapporter quelque chose. En fait, nous, euh, nous en tant que parents, c'est la question, et je vous l'ai dit, en âme et conscience, connaissant notre temps du lycée, et celle de maintenant. Et je venais de causer avec deux, deux, étudiants. C'est la même chose. C'est ce qu'ils ont Beaucoup, beaucoup d'élèves pensent qu'en en, empruntant la voie scientifique, ils vont se retrouver euh, être enseignants. Est-ce que c'est forcément euh, la thèse est applicable forcément si, tu n'arrives pas à avoir euh, des infrastructures ou des laboratoires ou des, des institutions qui peuvent t'accueillir et mettre en pratique ta connaissance, tu ne peux que te replier sur l'enseignement. C'est tout. Au Niger, c'est ça, 80%, 90% du sorties de, l'université, on, se déverse tous dans l'enseignement. Abdraman Salifou, vous représentez euh, la section lycée et collège du Niger au nom de l'USN. Pourquoi vous, vous ne vous intéressez pas aux filières scientifiques et tout d'abord, nous remercions euh, le studio Colangou de nous avoir offert l'opportunité de bien vouloir nous exprimer par rapport à, des situations qui d'ailleurs nous aussi s'ajoutent sur nos consciences. Qui d'ailleurs aujourd'hui n'est c'est que pour personne qui dit élève parle de quelque chose qu'on doit quand même supporter. Si aujourd'hui on constate l'abandon, c'est-à-dire euh, des matières scientifiques de la part de nous, c'est qu'on envisage beaucoup nos intérêts par rapport à ça. Puisque vraiment on constate bien, on se sacrifie corps et âme, qui dit un élève scientifique parle vraiment de quelqu'un qui à tout moment est à la recherche pour pouvoir réussir. Et qui, à notre grande surprise, ses camarades s'investissent davantage pour pouvoir réussir à leur grande surprise. Une fois arrivés au bac, les matières qui se sont données corps et âme pour pouvoir s'en sortir, c'est à ces mêmes matières qu'ils trouvent toujours des difficultés ou bien des contraintes qui d'ailleurs on pas si le problème est lié à notre niveau ou bien le problème est lié à nos enseignants. Mais si c'était du côté de nos enseignants, quand même, ils font de l'armée. Mais je, je, dis bien, à ce sens-là, il y a toujours des difficultés, tant qui, d'ailleurs, poussent beaucoup de nos camarades à abandonner ces séries scientifiques. Par exemple, dans les années précédentes, on constate dans les écoles une école qui a à peu près quatre terminales mais à de nos jours, il peut se retrouver avec deux, deux surtout cette année et l'année passée. C'est ces dernières années où on fait face à ces difficultés. Nous, allons retourner vers le secrétaire général euh, du syndicat national des enseignants du secondaire, chez Boudambaji. Euh, monsieur le SIG, c'est surtout la série C euh, qui tend à disparaître aujourd'hui et peut-être même la série D si l'on ne prend garde. Est-ce euh, par manque d'enseignants qualifiés en quantité, monsieur le, euh, secrétaire général du syndicat national des enseignants du secondaire, donnez-nous euh, votre avis sur la question. Bon, à mon avis, la raison ne tient pas seulement à la volonté des élèves. Il y a aussi l'environnement. J'entends par environnement, lorsque vous étudiez des sciences, eh, vous avez besoin de manuels et puis, si on veut que ça soit des véritables études en sciences, il faut que vous disposiez de laboratoires aussi pour que vous puissiez faire des expériences, à défaut faire des observations. Mais je vous dis, ce n'est pas le cas. Tout ce que nous enseignons, euh, alors qu'on aurait pu les illustrer, nous le faisons euh, au tableau. Alors que s'il y avait un bon environnement, je pense que ça peut encourager les élèves à aller dans ces filières-là. Et vous avez aussi le fait que l'administration, l'administration à partir de, des secondes, pose des conditions très, drastiques, des conditions qui sont un peu excessives pour que les élèves puissent aller en, en série C. Et vous avez aussi, il faut le dire, le profil de ceux qui doivent enseigner dans les séries C si vous euh, tenez une classe de terminale C, euh, il est, bien évident que le travail qui est attendu de vous, qui est attendu de vous, et aussi la compétence de par la matière que vous enseignez, et puis aussi les élèves. Parce que le plus souvent, les élèves qui vont en série C, c'est des élèves qui sont euh, très vifs d'esprit, et puis vraiment qui, qui maîtrisent relativement bien ces matières-là. Donc il faut que ce soit des enseignants qui maîtrisent parfaitement les deux disciplines que sont les mathématiques et les sciences physiques. Parce que c'est un programme euh, un peu particulier et en série C, il y a une différence avec euh, celui de la, de la série D. Donc moi, je pense que vraiment, on n'encourage pas. C'est en cela que je parle d'environnement. Si vous faites les sciences, si vous faites les sciences, vous n'avez pas plus de mérite que celui qui fait le, la série A. Et nos élèves qui font les bacs D, et les bacs C l'ont bien compris. 80% des élèves qui ont le bac D, ce n'est pas pour faire des études euh, scientifiques ou même des études techniques, aller faire des formations d'ingénieurs. ils vont faire sciences économiques euh, pour faire comptabilité. Donc, pour l'essentiel de nos élèves, donc ce n'est pas seulement au niveau des lycées, même quand ils parviennent à obtenir le baccalauréat, ce n'est pas pour faire des filières et pour poursuivre les études dans les filières scientifiques ou techniques, c'est plutôt pour aller euh, dans le secteur euh, tertiaire. Monsieur, qui, donne vraiment, vous savez, euh, moi quand j'étais en terminale, si vous permettez, j'ouvre une parenthèse, même nos enseignants ne nous encourageaient pas. On avait à l'époque un Français qui nous faisait soir jour, du Lou, voilà, elle s'appelait. À chaque fois qu'il venait dans nos classes, ils se moquaient de nous. Ils disent, vous, vous allez faire science alors que ceux qui font série A, là, ils vont aller faire ENA. C'est eux qui vont vous commander. Vous voyez, c'est un peu l'état d'esprit. Donc, on ne crée pas les conditions pour que ceux qui font les sciences, là, puissent émerger autant que les autres. Et puis, il faut dire que dans, nos pays, le seul secteur porteur, c'est la politique. C'est la politique. Si vous faites la politique, donc les gens ils sont tentés de prendre des raccourcis. On les raccourcis là, ça donne rien du tout. Vous savez, des pays comme les États-Unis, là, ils cultivent, ils, ont des, ils passent dans les universités ou dans les lycées pour prendre les meilleurs étudiants en sciences, pour les orienter, pour continuer dans les études scientifiques. Or, ce n'est plus le cas chez nous. Monsieur le SG, la série D, elle aussi, n'est pas épargnée. Pourquoi la régression importante des effectifs en série D Non, mais ça tient, au, ça tient à la même chose. L'environnement, là, en série D et en série C, mais on a besoin d'aller au laboratoire. Ils font maths, physique, SVT. Mais je vous assure que eh, il n'y a pas de matériel pour, euh, pour les séries D. La série D, là, s'il faut parler de science, la série D, c'est la, série eh, scientifique par excellence. Parce que les mathématiques ne sont pas comptées parmi les sciences. On parle de maths et sciences. Pour qu'on pour qu'on puisse parler de sciences, il faut que ça soit une matière où on peut expérimenter et voir les, euh, observer les résultats. Donc, est considéré comme euh, euh, science, les sciences physiques et la science de la vie et de la terre. Ce sont les mêmes raisons. Je vous disais tantôt qu'on a remarqué que en série D, 50% des élèves qui sont admissibles, qui viennent au deuxième groupe, échouent. Donc les élèves, les parents d'élèves aussi le remarquent. Ils préfèrent que leurs enfants, au bout de trois années, qu'ils puissent avoir leur baccalauréat et puis aller faire les mêmes études que, celui qui a la série C ou la série D. Je me tourne à présent vers euh, nos deux invités. D'abord, euh, monsieur le vice-président de l'association des parents d'élèves et étudiants, Nasratan euh, Wisselman. Pourquoi, selon vous, les élèves sont plus portés aujourd'hui vers les séries dites littéraires au détriment de celles dites scientifiques? Si vous faites euh, un petit retour dans ma, première intervention, je l'ai signifié, je l'ai dit. Cela est dit à, la facilité que les gens cherchent aujourd'hui. Euh, les élèves eux-mêmes et les parents ont compris que, comme le disait un de nos sages, Dogon Ilmi Mizat Yara. Ça veut, dire, quoi concrètement en français hein, comment poursuivre de longues études, revenir avec tes diplômes et t'asseoir sans rien faire. Autant euh, avoir un petit diplôme qui te permette de survivre et apporter les petits besoins de la famille, parce qu'aujourd'hui, les parents, on inscrit les enfants dans les écoles, non pas comme avant où c'est pour qu'on dise on est fier d'avoir un enfant intelligent et excellent que d'avoir euh, un enfant aujourd'hui euh, qui rapporte l'argent. Aujourd'hui, dans les matières, comme vous l'avez dit, les matières scientifiques, la série D, je, vais compléter le grand frère. Moi, en 2015-2016, ma fille avait échoué au bac D. Automatiquement, un parent, un ami m'a dit, un universitaire, hein, il m'a dit non, il faut l'amener à la parce que si elle échoue la première fois, c'est fini. Elle va continuer toujours à échouer. J'ai dit, ah bon Dieu merci, je ne l'ai pas fait. Et c'est un universitaire qui me le disait. J'avais demandé son conseil. C'est un universitaire qui me le dit. Donc, comme je, confirme ce que Dambaji a dit, c'est pour vous dire que les, matières scientifiques, si les enfants les abandonnent, c'est parce que nous, en notre temps, il y avait le matériel nécessaire pour suivre les expériences, comme il l'a dit. Prenez tous les grands établissements, ils ont des laboratoires équipés. Les enfants, avaient de l'amour d'aller dans un laboratoire. Mais aujourd'hui, même les établissements privés censés de doter leur euh, établissement de, de, ces laboratoires, il n'y en a pas. C'est la littérature. Donc autant en, faisant la littérature et dans la, pratique et euh, dans la théorie, autant aller dans la littérature directe. J'ai déversé dans la série A parce que s'il faut apprendre tout par cœur et venir sans expérimenter, il faut aller vers la série A où tu as des facilités à, t'en sortir. Abdraman Salif, certainement vous avez quelque chose à ajouter euh, sur ce que les parents, parce que c'est les parents, ont, dit. Effectivement, comme l'avait dit, cest notre cher professeur, j'ai beaucoup vraiment aimé la façon dont il avait exprimé la faille que fait face la série D et la série C. Et surtout du côté du parent d'élève aussi. Bon, moi, ce que j'ai à dire, ils ont tout dit, mais néanmoins, c'est-à-dire, euh, je veux faire des rajouts par rapport à cette euh, situation. Aujourd'hui, c'est-à-dire, euh, le rêve de chaque élève, vu notre génération, génération nous, c'est-à-dire, c'est de réussir vite, finir ses études et avoir son diplôme et avoir là où c'est caché pour pouvoir trouver un job, comme on le dit. Donc, maintenant, c'est ce qui cause problème et que maintenant, on constate un élève peut faire reprendre la terminale de jusqu'à quatre fois, et n'a pas réussi. Marco, une courte pause euh, dans quelques secondes. Restez à l'écoute. Notre débat continue sur Studio Kalangou. Je rappelle que notre quatrième invité, à savoir euh, M. Kasumissa, secrétaire général adjoint du ministère des Enseignements secondaires, vient de nous rejoindre dans, ce studio. Et je continue avec euh, la deuxième partie de ce forum euh, qui traitera des conséquences de la disparition des filières scientifiques dans nos lycées. Mais avant, chers auditeurs, chers invités, écoutons à nouveau le professeur Albert Wright qui revient sur les les avantages des filières scientifiques dans nos lycées et il propose des pistes de solutions. On l'écoute. Alors, quelles pourraient être les raisons aujourd'hui qui expliqueraient cet état de fait, cette baisse de niveau, cette euh, disparition des filières scientifiques Je vais être net, catégorique. Je pense que les scientifiques n'ont pas été récompensés de leurs efforts. Qui est payé dans ce pays Ce sont les politiciens. Il y a les douaniers, quelques militaires. Les scientifiques de haut niveau, c'est dur. Il faut bûcher. Il faut se priver du sommeil pour arriver à décrocher son bac avec mention bien ou très bien en terminale C et avoir la prétention de rentrer et d'accéder dans les pays extérieurs parce qu'en Afrique, on n'a pas hors un pays d'école scientifique de bon niveau. Dans les pays extérieurs, vous savez, pour aller faire polytechnique, pour aller faire école des mines, pour aller faire euh, mathématiques profondes, chimie profonde, eh bien, il faut avoir passé votre bac avec brio. Et les quelques Nigériens qui ont eu la chance de réussir ces performances, quand ils sont revenus chez eux, ils ont été traités au même pied d'égalité que les camarades qu'ils battaient quand ils étaient ensemble dans les classes du lycée national ou ailleurs, que les camarades donc qu'ils dominaient par leur excellence. Non, vous savez, la motivation, c'est l'argent. Ne nous cachons pas les choses. Mon fils, lorsqu'il a eu son doctorat en ingénierie et physique des matériaux, il est rentré à Niamey et il a chômé chez moi pendant des mois. Mais il n'y a pas de travail. On ne on s'occupe pas de lui. On ne le regarde pas. Il a été reçu premier à l'école d'ingénieurs de Tunis. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Papa, je m'en vais. Et je lui ai trouvé les moyens de partir. Aujourd'hui, il est installé à Paris. Il est chef d'entreprise. Et je ne suis pas le seul euh, malheureusement, à, pouvoir faire ce constat, je peux nommer, je ne vais pas le faire ici, mais je peux nommer de nombreux Nigériens dont les enfants les ont quittés pour aller se réaliser ailleurs, puisque le Niger, lui, s'en fiche des cadres qu'ils forment. Alors, dans un pays sous-développé, vous investissez 25 millions pour sortir un cadre, et puis quand il est sorti, au moment où il devrait pouvoir euh, reproduire chez lui, ou, tenter en tout cas de reproduire des conditions de génération de plus-value, vous le laissez tomber. Qu'est-ce qu'il fait Il s'en va à l'extérieur. Regardez un peu le phénomène des migrants en Afrique aujourd'hui. Là, l'Europe tente de leur dresser des murs, mais attention, ces murs-là, les migrants analphabètes ou, ou non diplômés ont beaucoup de mal à les franchir. Ce n'est pas le cas pour les migrants diplômés. Mon fils, lorsqu'il s'est présenté à Paris avec un profil de docteur en génie matériaux, eh bien, on lui a ouvert les portes toutes grandes. En 1995 déjà, j'ai eu euh, l'occasion d'avoir entre les mains, d'ailleurs, je l'ai encore ce document dans ma bibliothèque, un recensement par l'UNESCO des Africains diplômés hors du continent africain, en 1995, on recensait déjà plus de 30 000 Africains doctorants. Alors vous vous rendez compte. Alors comment faire au Niger aujourd'hui pour remédier à cette question de disparition des, séries des matières scientifiques Je crois que simplement il faut que de nombreux responsables en prennent conscience et qu'une réflexion soit organisée sur le sujet. À mon niveau personnel, j'ai pensé que la mise en place, par exemple, d'une euh, capacité d'encadrement et de remise à niveau de tous les professeurs scientifiques à l'échelle du territoire serait peut-être une bonne réponse à la recherche de solutions de ce problème. Retour à présent dans ce studio du studio Kalangou avec euh, Kasumissa. Il est le secrétaire général euh, adjoint du ministère des enseignements secondaires, Kasumissa, euh, Bienvenue, bonsoir. Bonsoir. Venez là d'écouter professeur Albert Wright par rapport à la disparition des, des, filières scientifiques et ses conséquences. Quel commentaire cela suscite en vous merci euh, Studio Kalangu de nous donner l'opportunité à chaque fois de venir euh, échanger, aussi en même temps vraiment de partager sur des préoccupations surtout de l'éducation. Nous avons suivi le, professeur Albert qui au passage nous félicitons et encourageons. Et ce n'est pas pour rien si tout récemment, à l'occasion de la journée mondiale des enseignants, et le professeur avait été décoré par son excellence Alaj Mamadou, président de la République, chef de l'État. C'est dire que, euh, en réalité, aujourd'hui, la question de la promotion de l'enseignement scientifique dans notre pays est une préoccupation euh, vraiment euh, des plus hautes autorités de notre pays. Et ce n'est pas seulement que de 20 mots. Tout ce que le professeur a dit, c'est une réalité même si je ne partage pas l'idée au niveau de la fuite des cerveau, parce que je sais que au moment où professeur avec euh, aussi leur professeur, le feu Al-Moumoun Jofo, était aussi en son temps des scientifiques émérites et qui étaient partis se former à travers les universités du monde. Et je sais qu'ils étaient très sollicités de par le monde. On a tout fait pour les débaucher, mais ils ont eu un comportement autre que celui de notre génération. Vous voulez dire qu'ils sont plus patriotes que ceux qui ont quitté En tout cas, quelque chose comme ça, parce que son enfant aujourd'hui, j'ai beaucoup de respect pour lui. C'est à l'image de toute notre jeunesse aujourd'hui qui n'éprouve aucun sentiment d'accepter de construire dans notre pays. Dès que vous avez un niveau minimum technique ou scientifique, vous avez tendance eh, à aller chercher eh, vraiment un avenir meilleur. Et l'avenir, ce n'est pas le mieux-être, ce n'est pas le bien-être, parce que je pense qu'on est toujours mieux chez soi qu'ailleurs. Mais c'est vraiment la recherche de l'argent. Aujourd'hui, les jeunes, c'est l'argent qu'ils cherchent. Ils ne voient pas ce que les aînés ou les ancêtres ont pu faire comme investissement alors qu'ils avaient d'autres opportunités d'aller Ça, ce n'est qu'une parenthèse pour vraiment revenir euh, au sujet lui-même. Et ça, c'est ce qu'il faut toujours déplorer parce que lorsque dans un pays comme le nôtre, vous n'avez pas une jeunesse aujourd'hui encline à accepter d'aller enseigner. Ça, c'est d'abord là le premier postulat qu'il faut poser. La question aujourd'hui du refus de la jeunesse d'aller enseigner ou former d'autres jeunes. Pourtant, nous avons vu nos parents, nos aînés, les générations qui nous ont précédés, elles étaient parties. Il n'y avait pas de facilité. C'est pas parce que les jeunes ne pouvaient pas se retrouver ailleurs dans d'autres fonctions libérales ou autres, ou aller à la police ou à la gendarmerie ou à la douane. Mais nos aînés, et certaines générations, y compris un peu la nôtre, vraiment, nous avons accepté, ce n'est pas parce qu'on n'avait pas mieux, nous avons accepté d'aller, c'était en, termes de patriotisme, de nationalisme, que nous partons pour vraiment nous occuper des jeunes générations. Et nous l'avons fait, là où nous parcourions euh, vraiment des dizaines de kilomètres à pied. Il n'y avait même pas de pistes. Monsieur le SIG, beaucoup pensent qu'il n'y avait pas de, assez de laboratoires, de matériel pour pouvoir enseigner. J'allais arriver là parce qu'il faut quand même fustiger un peu la cause profonde. Tous ces laboratoires, tout ce qu'il faut apporter dans les laboratoires, il faut bien qu'il y ait des ressources humaines à même d'accepter d'aller faire ou mener des activités enseignement-apprentissage. Maintenant, dans notre pays, effectivement, il s'est trouvé que, eh, à une époque récente, les laboratoires, les bibliothèques ont été transformés en salles de classe. Parce que, effectivement, il y a eu des politiques qui pensaient qu'il fallait juste apporter une réponse à la massification de l'éducation et non à regarder du côté de l'enseignement scientifique. Ce qui fait que, non seulement il n'y a plus ces laboratoires, imaginez aujourd'hui que des jeunes enseignants que vous avez, qui sont là sur le terrain, qui dirigent l'établissement, ils n'ont jamais eu l'opportunité de se retrouver dans une séance de laboratoire de TD dans un laboratoire. Ils n'ont jamais eu cette chance. Et jusqu'à eux, ils sont devenus des enseignants. Et qui, plus encore, sont en train même d'enseigner des dans les séries scientifiques. C'est dommage, monsieur le sujet. Sans ces filières scientifiques, quel avenir pour le Niger Mais dans tous les cas, les filières scientifiques, euh, je pense que si vous ne le développez pas, et là, c'est pour euh, dire qu'au niveau du ministère en charge des enseignements secondaires aujourd'hui, parce que c'est là où la pépinière commence, je pense. Alors, lorsque nous cueillons maintenant les, élèves qui viennent directement du primaire, la nouvelle politique, c'est que nous avons posé un débat par rapport à cette question de la promotion de l'enseignement scientifique. Qu'est-ce qu'il faut faire La première chose, c'est le renforcement des capacités des enseignants. La deuxième chose, c'est de regarder au niveau des enseignants par rapport à leur profil, parce que vous n'êtes pas sans savoir que la massification de l'enseignement a fait que nous n'avons plus des profils qu'il faut pour enseigner dans les séries scientifiques et autres. Donc, c'est des profils d'emprunt. Et comme il y a cette multiplicité de profils, maintenant, il faut renforcer les capacités, mais il faut créer aussi, recréer les bibliothèques. Il faut recréer les laboratoires. C'est ce que sont en train de faire, mais le mieux, c'est de comprendre que lorsqu'un enfant est accueilli en classe de sixième, il lui faut nécessairement une remise à niveau. Alors que depuis longtemps, dès qu'un élève arrive en sixième, il est comme si condamné à être éjecté du système un an, deux ans après parce qu'il ne pourra pas tenir. Il n'y a pas de remise à niveau. Et je pense que c'est là où nous avons commencé à revoir les choses. Monsieur le SG Chebou Dambaji, euh, vous venez là d'écouter le secrétaire général adjoint du ministère des Enseignements secondaires. Quelles sont les conséquences de la disparition de ces filières scientifiques pour un pays comme le nôtre Bon, les conséquences, euh, euh, elles sont connues. C'est comme les séries scientifiques euh, qui forment les filières euh, d'ingénieurs, les médecins. Donc il faut passer nécessairement par ces séries-là pour pouvoir sortir ingénieur ou même médecin. Donc c'est dire que s'il y a de moins en moins de candidats à ces séries, donc il y a, nous nous privons d'autant de, chances d'avoir de, d'avoir de médecins, d'ingénieurs. Je vous disais tantôt que le peu que nous obtenons en série D et en série C, à 80%, ce n'est pas pour faire des études scientifiques ou même techniques. C'est pour aller faire des sciences éco, faire des études euh, euh, qui ne sont pas loin de la littérature. Mais il y a une raison à cela. Vraiment, le euh, professeur Wright a bien décrit la situation. Vous savez, dans nos pays, les seuls qui ont un mérite, je l'ai dit, je l'ai dit tantôt, il n'y a que les hommes politiques qui ont un mérite. Parce que l'enseignement des sciences a un coût. Si vous euh, ouvrez des séries scientifiques, il faut nécessairement des laboratoires. Mais malheureusement, ça ne date pas d'aujourd'hui. Euh, vous allez voir des étudiants qui arrivent à la faculté des sciences qui n'ont jamais vu, qui n'ont jamais manipulé un impermètre. Alors que c'est des choses qui sont censées être maîtrisées et en, depuis la, depuis la troisième. Donc, c'est dire que euh, la conséquence euh, est là, mais les séries scientifiques, si on veut les promouvoir, ça a un prix et le professeur a tout dit. Il faut montrer qu'on veut de ces séries-là en, les en, créant les conditions d'attractivité. Ceux qui sortent euh, avec des masters dans ces filières-là, faut pas qu'ils viennent au pays et qu'on trouve que euh, qui n'ont rien à faire. Vous savez, il y a des pays qui ont fait, qui ont fait l'option de promouvoir les sciences. Et faire l'option de promouvoir les sciences, c'est de créer non seulement l'environnement, mais aussi les conditions de motivation pour que les scientifiques puissent être à l'aise dans leur pays. C'est le cas des États-Unis, euh, de l'Inde et autres. L'association des parents d'élèves euh, Nasratan Wisselman, que faire, faire maintenant et très rapidement pour un peu redorer le blason des filières scientifiques au Niger ah, euh, comme ils l'ont signifié, c'est l'argent. Tout tourne autour de l'argent, il faut investir. Je vous donne juste un exemple. Euh, ces dernières années-là, on vient équiper des établissements des ordinateurs. Au lieu d'investir dans les ordinateurs, pourquoi ne pas investir dans les laboratoires C'est quoi ces machines d'ordinateurs de blanc C'est pour nous contrôler. Ils sont en train de divertir les gens, il faut être euh, la haute technologie, la haute technologie, alors que nous avons, pour cette technologie, référez-vous à Albert Reich aujourd'hui, l'énergie solaire. Je dis, si les moyens, si on les mettait, et qu'aujourd'hui, on orientait le, bâtiment là-bas, il, est là en train de moisir. Si on s'y donnait un peu, on la politique orientait ces moyens vers ces, laboratoires et cette énergie solaire, cela va faire en sorte que beaucoup d'étudiants ou beaucoup d'élèves s'y intéressent pour qu'ils trouvent leur avenir. Et Abdraman Salifou, vous êtes euh, de la section lycée et collège, euh, secrétaire aux affaires académiques, euh, vous représentez l'USN. Est-ce que vous avez un cri de cœur, un appel pressant à l'endroit <laughs> des autorités pour un peu redorer le blason de l'enseignement scientifique Ce qui est sur le cri de cœur ne manquera jamais. D'ailleurs, c'était l'un de nos objectifs, avoir des solutions à toujours à nos problèmes, à nos revendications. Si vous avez entendu la section lycée ou collège ou bien d'autres sections, les sections sœurs, même des revendications, c'est toujours cela est lié toujours au problème de matériel. Entre autres, c'est-à-dire classe, table, banc et ce qui suit les laboratoires puisqu'on constate bien ces derniers temps-là, les camarades de la série D et de la série C et d'autres séries, et s'accentuent beaucoup à bicher comme ça se doit, mais ils n'ont pas, à faire des pratiques sur ça. Ils n'ont pas de notions concrètement, visiblement sur des choses qu'ils ont mémorisées. Et c'est ce qui fait en sorte que les camarades laissent beaucoup ces domaines-là et partir au niveau des séries A, là où il voit que ah, ça, ça nécessite que vraiment du MPVG, des trucs là, comment on appelle ça, des citations de gauche à droite, des citations, et avec ça, on peut s'en sortir. Dans tous les cas, tu gardes ça uniquement quelques secondes, tu viens tirer copie, on passe. Euh, monsieur le secrétaire général euh, du syndicat national des enseignants du secondaire, euh, Cheikh proposez-nous des solutions, de, des pistes de solutions de sortie de crise. Selon vous, que faut-il faire pour y remédier rapidement Bon, vous savez, administrativement, le problème est réglé. théoriquement, lorsque les élèves arrivent en, seconde, on les oriente majoritairement en série scientifique c'est deux tiers normalement dans des établissements publics, deux tiers en série scientifique et un tiers en série littéraire. Donc à partir de la, à partir de, la première. Euh, mais ce qu'on remarque, euh, vraiment, il n'y a pas d'accompagnement. L'administration a décidé de ça, mais il n'y a pas d'accompagnement. Moi, je pense que si on veut que les séries scientifiques euh, retrouvent la lettre de noblesse, il faut créer le bon environnement. Le bon environnement, c'est avoir un minimum de matériel en sciences et puis aussi avoir les profils euh, qui peuvent euh, faire l'enseignement euh, indispensable pour bien encadrer ces élèves-là rapidement, monsieur le vous avez euh, juste euh, une minute trente pour un peu euh, proposer des solutions, ce que le ministère des enseignements secondaires est en train de faire pour un peu redorer l'image de l'enseignement scientifique au Niger. Merci, mais déjà, vous savez que tout à l'heure, quand alors j'ai passé la parole, alors déjà j'étais en train de vous parler des étapes non seulement la question de la formation, la question du profil que je venait de répéter, mais aussi la prise en charge des élèves de sixième. Parce que nous, pour nous, il faut commencer dès la sixième. Il faut pas attendre la seconde. Et il vous a dit aussi, arriver encore au lycée, tous les enfants qui ont leur BPC, voilà ce que nous avons imposé maintenant comme la nouvelle réorientation par rapport à la promotion d'enseignement scientifique. Maintenant, sur le terrain, comme le disait donc euh, notre collègue de la section collège et lycée, mais les laboratoires. C'est vrai, il n'y en a pas. Mais déjà, nous avons commencé non seulement à créer laboratoires 25 par an, et ensuite à équiper tous les laboratoires qui étaient enfouis, tout ça, la transformation celle cas, nous les avons repris, mais en même temps aussi l'équipement en train de suivre. Et ça, c'est sur fond du budget national. Nous sommes en train maintenant de susciter l'engouement. Maintenant, si les élèves, eux, ne partent pas de laboratoire ou les enseignants ne partent pas, c'est des questions que nous allons maintenant regarder plus tard. Maintenant, vous savez, il n'y a pas seulement que les laboratoires. Il y a les exercices pratiques. Nous sommes en train de transformer nos programmes, de vouloir maintenant, à travers le nouveau curriculum qui est en train de monter, d'amener les élèves les enseignants à avoir un autre regard de l'enseignement. Et tout ceci pour nous amener dès l'école primaire à faire des options de choix pour la promotion de l'enseignement technique et scientifique. Le générique l'annonce. Nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Nous étions avec euh, Kasumisa, secrétaire général adjoint du ministère des enseignements secondaires. Nous étions également avec euh, Chebou Dambaji, secrétaire général du syndicat national des enseignants du secondaire, Nasratan Wisselman, vice-président de l'association l'Association des parents d'élèves et étudiants et Abdraman Salifou, secrétaire aux affaires académiques de la section lycée et collège. Merci à vous tous et merci de votre fidélité au programme du studio Kalangou. Prochain rendez-vous demain, mardi 14 mars, même heure, même fréquence, avec une thématique, le VIH et la tuberculose sous la direction de Hamadou Moumouni. Merci, au revoir, Studio Kalangou au rythme du Niger. you